le problème foncier Je pour moi mais je lancer un appel également à tous les maires du Sénégal dañu sénégalais Nous la dañu utiliser rationnel nous utile un fonds de commerce nous devons un fonds pour défendre dañ ciy insister bu baax na nit ñi fexe lotissement kenn du ko def parce que dañoo war a séddoo man fekk naa par exemple benn lotissement boo xam 3127 parcelles 3127 parcelles non seulement waroon nañu bàyyi parce que Ziguinchor périmètre am dafa tuuti Ziguinchor amatul espace donc sooy def lotissement sax war na am loo bàyyi waaye bàyyiwuñu dara.